le forum du studio le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam Nous sommes vendredi. Merci d'être au rendez-vous hebdomadaire du Forum de la presse que nous consacrons au décryptage de l'actualité de la semaine avec des confrères des médias de Niamey. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons tout d'abord parler dans ce forum de la situation à la date d'aujourd'hui de la pandémie du Covid-19 qui sévit au Niger, ainsi que de l'allègement des horreurs du couvre-feu instauré à Niamey dans le cadre de la lutte contre la propagation de cette maladie. Nous verrons également comment les musulmans du Niger ont entamé le mois béni de Ramadan dans ce contexte de pandémie du coronavirus. Autre point de ce forum, le classement mondial pour la liberté de la presse à 2020 de l'ONG Reporters sans frontières, qui est connu depuis la semaine dernière, le Niger gagne 9 points cette année. Enfin, comment les travailleurs du Niger préparent-ils la fête du des travailleurs du 1er mai cette année. On en parle également dans ce forum. Pour échanger de ces sujets, nous recevons El Haja Suleiman Mahamadou du journal en ligne Niger Inter. Bonsoir à vous. Bonsoir. Maimouna Diado, elle est journaliste à la radio et télévision Tambara. Bonsoir. Bonsoir. Et au bout de la ligne, nous avons Ousseini Issa, il est journaliste à Freelance. Bonsoir. Bonsoir. À la présentation, c'est un fils Adam Sirfo. À la date du 29 avril, le Niger a enregistré 4 nouveaux cas positifs au Covid-19 sur 54 testés, selon un communiqué du ministère de la Santé publique, ce qui porte le nombre total à 713, dont 32 décès. 246 patients sont en cours de traitement et 435 autres personnes sont guéries, précise le communiqué du ministère de la Santé. Ouseni Issa, vous êtes un journaliste freelance. Le nombre de personnes guéries est visiblement plus élevé que celui des patients qui sont en cours de traitement. Doit-on se rejure de cela ou bien quand on sait que le cas de, décès même augmente de jour en jour, doit-on se réjouir très tôt ben, moi, je pense que euh, c'est un peu prématuré de se réjouir, bien évidemment. chaque jour, quand même, on enregistre de nouveaux cas. Un peu, la flambée a un peu baissé de, de, de, jour en jour. Souvent, c'est 5, c'est 6, il y a des moments où ça monte jusqu'à 12, jusqu'à 14, jusqu'à 18 cas. Ça veut dire que la propagation, en tout cas, continue encore. Par conséquent, l'accent doit être renforcé sur la sensibilisation par rapport aux gestes barrières, mais par rapport à un certain nombre de, de comportements observés, notamment le lavage de mains et autres. Mais moi, ce que je trouve euh, un peu, comment dire, euh, un peu euh, limité dans la communication, c'est qu'on ne dit pas exactement, parce que c'est important, je le pense. On dit simplement, les cas qui ont été enregistrés, c'est des cas qui proviennent de telle région, telle région. Il aurait été intéressant aussi de savoir exactement si c'est à, partir du marché, parce qu'on dit les attroupements sont interdits et tout et tout. Mais ce à quoi on a assisté, c'est qu'on a fermé les écoles, on a fermé, comment vais dire, un certain nombre de commerces, les, lieux de, culture. Mais on, se retrouve dans une situation où les marchés sont là, qui continuent à animer. Et c'est la journée que les choses se passent. Et de l'autre côté, on a confiné les gens et c'est un confinement nocturne. Moi, je dis le plus important aujourd'hui, c'est de pouvoir dire, parce que les malades, quand ils recouvrent la santé, ils peuvent dire exactement dans quelles circonstances ils ont commencé à sentir les signes et tout et tout. On peut identifier déjà les endroits les plus où les, gens sont les plus exposés. Aujourd'hui, on a comme l'impression que dans les marchés, on ne prend pas la maladie parce que les marchés ne sont pas fermés. En revanche, les écoles sont fermées pendant plus de mois aujourd'hui et tous les centres de commerce pratiquement sont fermés. Il faut faire une meilleure communication, une communication beaucoup plus captivante parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que chaque fois venez dire il y a eu tel nombre de cas aujourd'hui, il y a eu tel nombre de cas de prise, tel nombre de, patients pris en charge, tel nombre de guéris, tel nombre, moi je dis, c'est vraiment une litanie qui, qui, qui, laisse indifférent un peu les, citoyens. Et c'est ça qui fait qu'ils ont des difficultés, même avec le couvre-feu, souvent, la nuit, les gens sont dehors et, ils ne peuvent pas rester à l'intérieur des maisons parce qu'ils se disent, mais quand les marchés sont ouverts, comment on peut empêcher aux gens quand même de rester devant leur concession la nuit pour prendre un peu d'air Voilà un peu toute cette problématique, toutes ces questions-là, il faut les interroger, il faut savoir, il faut trouver un bon mécanisme de communication et c'est ça qui va permettre de convaincre véritablement les citoyens qu'effectivement, cette maladie, c'est une réalité, ce n'est pas une vision de une, vue de l'esprit. Avec euh, le cas des guéris qui augmente euh, de jour en jour, euh, selon Hussein Issa, il ne faut pas se réjouir de, ce, de si tôt. Mais selon un constat dans la société, on constate que les gens, ont, il y a un relâchement quant au respect des mesures de prévention. Qu'est-ce qui explique cela selon vous, El Haj Suleiman À mon humble avis, c'est que je constate d'ailleurs que les pays, selon leurs euh, moyens, gèrent cette maladie et l'élément déterminant, c'est l'élément économique. Mhm. Si les marchés sont restés ouverts, c'est parce que véritablement, vous avez vu récemment au Burkina, parce qu'on a fermé les, les marchés, les commerçants étaient prêts à mettre du feu <laughs> la, capitale a fait à ça. Uh-huh. C'est-à-dire que véritablement, c'est pas parce que les autorités ne sont pas conscientes du danger des marchés. On entend chaque fois les gens, il faut confiner les gens, il faut fermer les marchés. Non, si on ferme les marchés, on va étouffer économiquement euh, les, gens, et les conséquences sont imprévisibles. Mm. Donc je pense que c'est par réalisme, chaque pays va essayer de regarder, il y a des aspects malgré le danger qu'il faut préserver, juste pour permettre à la vie de continuer. Euh, un, autre élément important que j'ai constaté euh, de plus en plus, on voit à l'Est, notamment à Zander par exemple, il faut faire attention, euh, notre pays a joué sa partition dans la préservation, mais il y a un foyer très inquiétant aujourd'hui à Kano, au Nigeria en tout cas. On doit faire attention et le mal est toujours là. Il faut comprendre que la santé n'a pas de prix, hum, hum, hum. Et parce que cette maladie, ce n'est pas la responsabilité de qui que ce soit. Le monde entier aujourd'hui victime et les pays sont en train de, faire autant que faire se peut pour préserver la, santé de la population. Et je pense qu'il n'y a pas euh, 36 solutions sur le respect des mesures barrières, en tout cas, qu'on peut en tout cas euh, accepter pour nous permettre vraiment de préserver l'essentiel. Malheureusement, euh, ces derniers temps, ces mesures ne sont pas tellement respectées dans la société. Euh, mais Diado, on voit un peu partout les gens. Avant, au début de cette maladie, les bavettes, on voyait euh, toute personne portait euh, la bavette. Maintenant, ce n'est plus le cas les mesures ne sont pas tellement respectées. Quelle lecture faites-vous vraiment de cette situation Bon, la lecture que je peux faire de cette situation, de port de bavette, euh, les, les mesures barrières, je, me dis que peut-être que c'est dû également donc euh, à cette situation de guéris, des personnes guéries que nous sommes en train de constater mhm. aujourd'hui. Euh, on voit que les personnes qui sont guéries sont plus élevées que les personnes aujourd'hui qui sont qui ont contracté cette maladie. Mhm. Et peut-être euh, les citoyens se disent que donc voilà, il y a un ouf qui est là, un soulagement qui est là, <laughs> peut-être bon. Mais ça ça n'empêche pas, ça n'empêche pas aujourd'hui d'aller vers une communication d'aller vers la communication, parce que la communication, elle est très importante dans cette situation de, euh, sanitaire de Covid-19. Mhm. Parce que, en fait, quand on dit il y a 400 personnes guéries, ou bien quand on dit il y a plus de 300 et quelques aujourd'hui qui, sont, qui ont contracté cette maladie, mhm. mais le bon sens veut qu'aujourd'hui, le citoyen qui écoute ou bien qui regarde cette télévision, et euh, qui, entend l'annonce aujourd'hui du ministre de la Santé, euh, trouve peut-être l'essentiel dedans. C'est quoi mhm. l'essentiel C'est que ces personnes qui ont atteint, qui ont contracté cette maladie, et ces personnes proviennent de d'où Est-ce que ce sont des personnes qui ont contracté la maladie en, se retrouvant peut-être dans un regroupement de personnes Ou bien c'est des personnes peut-être qui prennent euh, en commun le transport en commun, mhm. ou bien c'est des personnes peut-être qui viennent également du marché ou mhm. quelque chose. Mhm. Donc les Nigériens ont soif de, de ces informations. Donc la communication. oui, la communication, oui, parce que chaque fois quand on regarde, peut-être c'est la même situation, euh, c'est seulement les chiffres qui changent. Et je me dis que euh, quand un Nigérien, par exemple, quand toi et moi et vous, nous entendons qu'il y a chaque jour des guéris, mhm. mais on se dit que donc euh, <laughs> l'essentiel, porter la bavette, <laughs> euh, euh, ce n'est plus, d'actualité. Peut-être les gestes barrières, se laver les mains autres, là, ce n'est plus d'actualité. <laughs> donc, il faut que les gens se méfient. Mhm. Il faut que les gens se méfient. Il faut que les gens continuent à respecter ces, ces gestes barrières. D'accord. Covid-19 toujours instauré le 28 mars dans le cadre de la lutte contre cette maladie à Niamey. Le couvre-feu qui était fixé de 19h à 6h du matin à été allégé et ramené de 21h à 5h du matin la semaine dernière. Prise en conseil des ministres, cette décision est diversement appréciée par les citoyens de la capitale nigérienne. Je vous propose d'écouter quelques-uns d'entre eux au micro de notre reporter Moussa Hassan. C'est bien, mais c'est vraiment insuffisant, car moi, en tant que distributeur de pain, j'ai des clients qui commencent leur activité à 19h, comme les vendeurs de rôti ou de frites. Que vont-ils devenir J'ai des clients qui sont même au chômage actuellement parce que leur marché ne font que se gâter. Nous aurions voulu qu'on l'amène jusqu'à minuit comme ça. 21h, je pense que si vraiment la personne est engagée, il peut quand même faire des petits trucs et à ces intervalles faits, surtout avec les agissements des uns et des autres concernant ces horaires. C'est très bien réfléchi et ça va permettre vraiment à la population de se calmer. Je suis de cœur avec cette décision. On peut dire que c'est un peu mieux, car il y a beaucoup de personnes qui gagnent leur vie le soir. Donc décaler le couvre-feu à 21h ne leur apporte pas grand-chose. Et même ça, c'est à cause du mois de Ramadan qu'ils ont décidé cet allègement. Surtout que dans ce mois, à partir de 21h, beaucoup de personnes sont encore en route. Après une journée de jeûne, il te faut quand même de quoi rompre. Alors Ousseini Issa, euh, cet allègement, qu'est-ce que vous pensez de cet allègement à la date d'aujourd'hui Quel a été son apport selon vous pour les citoyens le couvre-feu, il y a des gens les activités commerciales, c'est la nuit. C'est la nuit à partir de 16 heures. Dans un premier temps, c'était de 19h à 6h du matin. Maintenant, à la faveur du jeûne qu'on est en train d'observer, le gouvernement a dû un peu alléger, en ramenant de 21h à 5h du matin. Mais moi, je pense que le couvre en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais quand ça se passe dans un contexte de jeûne où les gens, pratiquement la journée, ils sont confinés chez eux. C'est l'année que la vie reprend ses droits pendant cette période-là. Qu'on le ramène de 21h à 5h du matin, je ne vois pas ce que ça change fondamentalement. Ça ne change pas grand-chose fondamentalement parce que 5h du matin, c'est pratiquement euh, si quelqu'un qui, doit prendre son petit déjeuner il n'a que 30 minutes quand il sort du chez pour aller chercher à manger, quand il n'a pas une famille où on lui prépare à manger. Il mange dans la rue. Ça, c'est une difficulté qui est là. Moi, je pense que c'est bien de confiner les gens, c'est bien, mais c'est encore mieux de trouver des mécanismes beaucoup plus appropriés, y compris la journée, pour faire en sorte que la promiscuité, parce qu'on est dans une société où les gens vivent en promiscuité, même dans les maisons, les cours communes et tout et tout. Quand les gens rentrent chez eux dans la, nuit, la personne qui allait contracter la maladie est venue contaminer sa famille la nuit. Et ça, c'est un véritable problème et on ne pose pas le problème sous ce angle. Et moi, je pense que c'est pour ça que j'ai parlé de communication tout à l'heure. Il faut faire des communications qui sont capables, en, tout cas, de convaincre les citoyens. Mais quand la communication se limite à décliner chaque jour des chiffres, mais effectivement, les gens, au bout d'un certain temps, les gens vont se dire, mais alors, autant, dans tous les cas, ce n'est pas simplement cette maladie qui tue. Ok. Alors vous, Memouna Diado, selon vous, doit-on vraiment maintenir ce couvre-feu de la ville de Niamey Bon, je pense que euh, on doit continuer à maintenir le couvre-feu tant qu'on n'a pas une solution sanitaire euh, face donc à cette situation sanitaire de Covid-19. Mhm. Je pense que le gouvernement a mieux fait, en tout cas, d'alléger de, de, de rallonger ou bien d'allonger euh, ce qu'on dit de 19h ah. à 21h. je pense que 21h, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant, en tout cas, pour euh, le petit commerçant, celui qui pose euh, peut-être son commerce de 16 heures mhm. jusqu'à 21 heures. Ça lui permettra de faire, de gagner au moins, euh, de faire quelques économies. Et je pense que également que ça a mhm. allégé en fait les, souffrances des uns et des autres, parce que quand on regarde, à partir de 19 heures, on est confiné pas possible de sortir. Tu veux faire des choses, tu ne peux pas sortir. Tu veux acheter des choses, tu ne peux pas sortir. Tout est fermé. Oui, oui. Mais maintenant, quand on, a ramené à 21 h vous n'avez plus entendu ces jeunes aujourd'hui qui sont en train de se plaindre, qui ont fait des dégâts dans la ville de Niamey. Mhm. C'était justement ça, en fait, l'objectif de l'État. Après les casses, il faut regarder, il mhm. faut voir la situation de ces jeunes-là. Mhm. Parce que la majorité de ces gens qui ont fait des casses ici dans la ville de Niamey, c'est des jeunes. Mhm. Et c'est des jeunes peut-être qui ont leur petit commerce, qui vendent sur les, qui ont des étalages mhm. sur les différents goudrons du Niamey. Donc dans ce cas, moi je pense que le mieux, on ne peut pas dire qu'il ne faut pas faire de couvre-feu, il ne faut pas maintenir le couvre-feu, mais il faut mhm. maintenir le couvre-feu, mais peut-être petit à petit, avec euh, quand les tendances vont changer, peut-être on va aller petit à petit de 21h, peut-être pourquoi pas ramener jusqu'à 22h, 23h. Ça dépend de la situation aujourd'hui qu'on observe. Euh, que ce soit de 19h à 21h, selon Hossein Issa, il n'y a pas un grand changement. Euh, êtes-vous d'avis, euh, Pas du tout. Franchement, <laughs> lorsqu'on a ramené ça à, 21h, il faut reconnaître qu'on sent que, franchement, le temps est prolongé. à partir de 21h, vous voyez, avant, quand tu es à la maison à 19h, tu as 2 heures de temps, vous voyez, mais quand tu es à la maison à partir de 21h, facilement, il va être 22h, 23, h Et pendant le ramadan, je pense qu'en dehors des contraintes justement de ceux qui ne sont pas stables, qui doivent aller chercher à manger ailleurs, je pense que c'est un moment où on a besoin de prier la nuit à partir de 21h. Mais euh, en fait, euh, nous, la semaine passée, qu'est-ce qu'on a fait On a interrogé un psychologue mhm. euh, qui dit, en fait, la capacité des sociétés humaines, c'est s'adapter aux, aux, situations. Il voit en tout cas une sorte d'opportunité pour les familles de se reprendre, de reprendre l'éducation, les valeurs à transmettre aux enfants, parce qu'en mhm. réalité, avant cela, c'est une euh, autre école. Euh, autre école. Il dit, par exemple, regardez les gens qui vivent ça à Difa depuis des années, le mhm. couvre-feu. Euh, donc, il est important de ne pas voir que tout est, tout est négatif. Mhm. Il me paraît évident que c'est une situation qui, qui, nous est imposée. donc, c'est des contraintes. Quand on parle une, fois que la population, la, la jeunesse. Mhm. La jeunesse, mais la nuit, c'est autre chose pour les jeunes. En fait, les jeunes se sentent en, prison. C'est une prison pour les jeunes. Parce que pendant que les personnes âgées sont en train de dormir, c'est l'occasion de faire leur fade, leur mmh, thé. Mmh, mmh. Euh, vous voyez quoi Donc, c'est vraiment le moment sont vraiment en prison. Et bon, vous voyez la prison comme ça, quand on a la possibilité de, sortir de la prison, on va, on va le faire. Donc, euh, moi, je pense que, franchement, ça un peu allégé. Et il faut quand même aussi le dire, nous sommes euh, ceux qui connaissent vraiment le, ramadan, la pratique du, jeûne. Mhm. C'est un moment qui a besoin plus de concentration, en tout cas, de rester prié. Mhm. Et cest vrai dire qu'à partir du moment où la situation euh, est imposée, c'est aussi l'occasion pour le, le croyant de chercher la solution avec le donc maintenant vraiment de beaucoup prier de se pardonner de se repentir mhm. donc je pense que franchement euh, selon les circonstances euh, nous pouvons vivre notre jeûne avant on le fait on va dans les mosquées prier mais il faut quand même admettre une autre chose aussi la gestion du couvre-feu quand même assez souple hein, parce que vous voyez dans les quartiers dans les quartiers dans les quartiers populaires les gens prient dans, les mosquées mhm, mhm. donc c'est dire qu'en réalité l'autorité est consciente que c'est sensible la religion pour les gens donc, il faut laisser les gens, autant que c'est possible, vraiment. Donc, vraiment, pour le moment, continuer la communication, euh, supportant les contraintes, c'est difficile, mais il n'y a pas d'autre alternative. C'est ce que nous faudrait vraiment faire pour euh, peut-être espérer la euh, de cette de comme on dit. Hussein Issa, cette année, les musulmans, si on peut le dire, sont appelés à passer un ramadan confiné. Quelle réaction cela suscite en vous pratiquement les Nigériens sont confinés, on ne sait pas pour combien de temps ils vont rester confinés. Mais pendant le mois la période de Ramadan, euh, par tradition, en tout cas par expérience, au mois de Ramadan, quand vous regardez pratiquement dans les rues, il n'y a pas de il a pas de mouvement, il n'y a pas d'animation dans la journée. C'est à partir de 16h, 17h que les gens commencent à sortir pour aller et, chercher, en tout cas, commencer à préparer un peu les aliments pour la ritue. Mais on se retrouve dans une situation, et c'est en cela j'ai dit, et aujourd'hui vous allez faire, euh, comment vais-je dire, euh, et moi je ne suis pas dans la langue de roi ou dans, la complaisance, vous allez faire un sondage, vous allez faire un sondage objectif, vous allez constater que beaucoup de Nigériens, beaucoup de fidèles, vraiment, ils sont mécontents de la situation qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Ils sont mécontents parce que tout simplement, ils n'ont pas, n'ont pas les moyens de s'assurer. Il y a plein de gens, comme je l'ai dit, qui travaillent quotidiennement, qui cherchent à manger, qui ne peuvent plus faire ces activités-là. Parce que la journée, vous ne pouvez plus vendre à qui que ce soit. Allez vendre de 16h à 17h à 18h, alors que la rupture, c'est à 19h, passé 10 ou c'est comme ça. Mais qui va venir prendre le temps que vous achetez pour que vous reveniez chez vous Il fait déjà pratiquement 20, 20h, 21h. Voilà, c'est toutes ces, contraintes-là qui font que les gens, quelque part, ils sont frustrés. Ils sont frustrés, ils n'ont pas la possibilité de le dire. Mais c'est la première fois qu'on assiste à un ramadan où les, fidèles sont confinés. Et ça, c'est une réalité indéniable. Les gens doivent faire avec, mais partout ailleurs, partout ailleurs, y compris dans les pays occidentaux, quand on impose déjà ce genre de situation, ça crée des frustrations, ça crée des, comme avait dit, des tensions entre les populations et les autorités. Niger est classé 57e sur 180 pays cette année dans le classement mondial pour la liberté de la presse 2020 de l'ONG Reporters sans frontières. Notre pays gagne cette année 9 points. Hussein Issa, selon vous, qu'est-ce qui a valu ce, rang au Niger cette année oh ben, euh, Ce qui a pu valoir ce rang au Niger, le, rang de, le gain de 9 points, le gain de 9 points, c'est lié au fait que c'est lié au fait qu'il n'y a pas eu, au cours de l'année 2019, les journalistes, aucun journaliste n'a été inquiété, aucun journaliste, non, et, dans l'exercice de son métier, aucun journaliste n'a été emprisonné. Ça veut dire que ça a été une année d'accalmie, une année calme où la, presse n'a pas été véritablement inquiétée. Mais ce n'est pas pour autant que bon, les conditions se sont améliorées. Quand on voit un peu la, situation, dans la, précarité dans laquelle évoluent actuellement les journalistes, on se dit parce qu'il n'y a pas que les questions de détention, les questions de, comment veux je dire, d'empêchement à l'accès à l'information qui font que, ou d'arrestation des arrestations qui, qui peuvent. Il y a d'autres paramètres qui sont pris en ligne de compte aussi. Mais au niveau de ces paramètres, notamment l'accès à l'information, c'est toujours un défi. Les conditions dans lesquelles les journalistes évoluent, c'est toujours un défi, c'est dans la précarité totale. La preuve avec cette histoire de, coronavirus, il y a des médias où les journalistes sont en train, en d'être mis en chômage technique parce qu'il n'y a plus de publicité, il n'y a plus, comment de couverture médiatique avec l'interdiction des réunions. <laughs> Les promoteurs, avec les charges fixes euh, euh, auxquelles ils doivent faire face, ils sont obligés quand même de presser un peu, euh, resserrer un peu les ressources avec lesquelles ils sont, tenus de faire fonctionner les, boîtes. Et ça impacte directement sur les jeunes. Moi, j'ai que tous ces aspects-là doivent être pris en compte dans un peu l'analyse de, la chose. c'est bien que les Niger aient pu avoir ce gain-là, ces 9 points, mais j'ai dit, bon, c'est pas évident que L'année d'après, la situation se dégrade parce que vous savez, nous sommes dans un contexte où les élections vont débuter dans une année électorale, à partir normalement de décembre des premières élections jusqu'en 2021. Bon, généralement, c'est à l'approche de ce genre de situation, même en 2018, quand l'Iran a, dégringolé, le Niger c'est lié aux élections de 2016 et, comme avait dit, jusqu'à après les élections 2015, 2016 jusqu'à 2017. Voilà un peu comment les choses se passent. C'était une année calme, l'année 2019. Il n'y a pas eu beaucoup d'agitation, non, non, seulement sur le plan politique, sur le plan social. Il n'y a pas eu, généralement, c'est à l'occasion des manifestations, des contestations que les journalistes sont violentés. C'est à ces occasions-là que les journalistes sont interpellés et sans motif valable et j'étais en, prison, gardé à vue pendant des jours avant d'être relâché. Alors, Elage Suleiman, une année calme, une année calme sans emprisonnement de journalistes, sans bavure, si on peut le dire, ce qui a valu ce rang au Niger. Pensez-vous que le Niger pouvait mieux faire euh, Bien sûr, euh, je pense qu'il faut euh, avoir l'honnêteté nous-mêmes de dire les choses telles qu'elles sont. Mhm. Aujourd'hui, moi, en tant que journaliste, en tout cas qui travaille sur le terrain, il me suffit de regarder euh, les télévisions, les radios, les débats qui se passent, euh, de lire les journaux, même quand tu es étranger, tu viens au Niger, tu vas constater la liberté de ton, que c'est un acquis qui, ne relève pas des autorités en place, mhm. mais c'est un acquis de haute lutte qui a été euh, consolidé, en tout cas qui est là. Donc je constate que de ce point de vue-là, dans la pratique du métier, en tout cas du journalisme, euh, franchement, euh, il y a le minimum dans notre pays. Mhm, mhm. Ceci dit, il y a des contraintes. Hein. Euh, il y a des contraintes parce que, Issa l'a dit, l'aspect économique. Mhm. On ne peut pas faire, en tout cas, un bon travail de journaliste lorsque on est dans la misère, lorsque on végète dans la pauvreté. Et cela, on le sait, justement, le problème, c'est maintenant ce n'est pas seulement le, le, gouvernant, mais c'est surtout un problème entre les promoteurs des médias qui doivent accepter d'aller vers la convention collective pour permettre d'avoir un salaire décent. Mais euh, je crois savoir que les promoteurs aussi ont posé la condition d'accéder à la publicité comme les médias publics. Mhm. Euh, là, je pense qu'il y a des efforts qui sont faits dans ce domaine, en tout cas où je crois savoir qu'il y a un comité au niveau du Conseil supérieur de la communication donc, euh, pour justement permettre la répartition de la publicité. Euh, je pense qu'il va falloir accélérer les, choses parce que je pense que ça, c'est le, le, le nerf de la guerre, à savoir que tant que on n'arrive pas à permettre, en tout cas, aux journalistes d'être rémunérés. Vous voyez, aujourd'hui, vous dites qu'il n'y a, parce qu'il n'y a pas de couverture médiatique, une, une, une, une, voie de ressources certaine pour les, les, les, médias. Mhm. Aujourd'hui, et les promoteurs et les journalistes sont dans une situation assez, assez difficile. parce que tout simplement, il n'y a pas d'autre voie de revenus comme la. Vous savez, l'économie de la presse, c'est d'abord fondamentalement la publicité. Donc, euh, je pense que il faut se dire, il faut que mon conseil, en tout cas de mon point de vue, mhm. il va falloir que les autorités acceptent que la liberté d'expression est fondamentale. C'est une liberté fondamentale. Mhm. Les acteurs des médias, les journalistes, les professionnels des médias doivent également assumer leurs responsabilités, faire leur travail de manière professionnelle. Mhm. Donc, à résumer, mes Diado, euh, les difficultés, si on peut le dire, sont énormes quant à l'accès à l'information pour les journalistes. Mais selon vous, cette liberté de, la presse ici au Niger, comment elle se porte aujourd'hui même Bon, la liberté de la presse euh, se porte euh, un peu mieux mhm. au Niger. Pourquoi, selon vous selon moi, donc, je me dis que d'un côté, les journalistes ont joué un rôle et continuent de jouer leur rôle. Et de l'autre côté, le gouvernant aussi sont en train de jouer leur rôle. Mm. Ça veut dire que quoi Ça veut dire que le journaliste est régi par des textes, le journalisme. Donc ça veut dire qu'il y a euh, l'éthique et la déontologie. Mm. Donc un journaliste qui euh, prend tout son temps euh, qui travaille sur l'éthique et la déontologie ne peut pas aujourd'hui aller dans euh, euh, avoir donc une autre contrainte mhm. de l'information. Ça veut dire que de l'autre côté aussi les gouvernants parce qu'ils ont fait le nécessaire en fait. Ils ont ils ont rassemblé en adoptant des lois et des textes qui sont là qui qui, qui régissent cette liberté de la mm-hmm. presse au mm-hmm. Niger. Mm-hmm. Et il ne faut pas oublier que le président de la République avait signé la table de la montagne. Et il y a des textes aussi, aujourd'hui qui, qui, qui ne, euh, sur la dépénalisation par voie de presse, délit par voie de presse. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui dont le Niger ou dont les journalistes aujourd'hui peuvent euh, s'en réjouir. Mm. Mais je me dis que les difficultés, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Nous sommes dans cette situation. C'est vrai quand un journaliste n'est pas bien rémunéré, quand un journaliste aujourd'hui, il est obligé, par exemple, de faire sortir son article. Mhm. Mais quel article en fin de compte. Parce que, euh, oui, oui, quel article Parce que il, peut, il, peut, il peut se procurer de toutes ses efforts, forces, ses armes et autres pour diffamer une personne, mm-hmm. parce que tout simplement, d'autres personnes lui ont proposé, voilà ce qu'on te donne, maintenant à toi de faire le jeu. Mm-hmm. Je me pense que, je pense que quand cette situation de précarité, quand nous-mêmes, nous, en tant que médias, nous ne prenons pas cette situation à bras le corps pour se dire que le métier que nous sommes en train de faire, c'est un métier noble. Mhm. C'est un métier aujourd'hui qui est comme tous les autres métiers. C'est vrai, c'est difficile, mais il faut rester dans cette logique. Mhm. Et nos employeurs également de regarder la condition aujourd'hui, ah, les conditions de ces journalistes. Mm-hmm. Parce que vous ne pouvez pas, oui, vous ne pouvez pas aujourd'hui payer un journaliste à 50 000 francs et dire qu'à la fin de ce, oui, oui, à la fin du mois, ou bien il faut que le journaliste vous fasse un travail que celui qui est payé aujourd'hui à 100 000, à 200 000 francs, c'est pas la même chose. C'est ça, en fait, la difficulté. Mm-hmm. Et les difficultés aujourd'hui, également, il y a la publicité. Aujourd'hui, quand une télévision par exemple, peut accepter de prendre une publicité à 100 000. Il y a une télévision qui serait aujourd'hui capable de prendre moins de voilà. 100 000. Donc, ça veut dire que dans cette situation, les télés se cherchent mhm. parce que les promoteurs aussi se cherchent. Mhm. parce Parce qu'à la fin du mois, il faut gérer le personnel, il faut gérer l'électricité, il faut gérer également l'immeuble. Mhm. Donc ça veut dire que c'est un coût énorme qui est là. Et je pense que avec euh, euh, euh, le comité qui a été mis en place, qui est en train de réfléchir déjà par rapport justement à la signature de la convention collective, mhm. je pense que ça peut alléger les choses si on peut faire ça très rapidement. Je, voudrais vraiment euh, attirer notre attention ceux qui nous écoutent et tout le monde sur une pratique. Mhm. En tant que journaliste, moi je m'inquiète sur la nouvelle pratique euh, euh, le fait que votre conversation sur WhatsApp, vous la mettez sur la place publique, vous abusez d'abord. Ah Éthiquement, moralement, ce n'est pas bien. Mhm, mhm. Et cela est en train d'impéter sur la liberté fondamentale de communication d'expression. Les gens ont, même en dictature, euh, vous savez, euh, on a connu, on a déployé cette, pratique. Mhm. Mais quand vous faites une conversation intime, toi avec quelqu'un, c'est resté dans le domaine privé. malheureusement. Mais maintenant, celui qui balance ça dans le domaine public, je pense qu'il doit être plus sanctionné que, que l'auteur. Hum, hum, hum. Parce qu'on a abusé de la confiance de, de, de, de, l'auteur. Je me rends compte que véritablement, les gens sont en train d'abuser et je constate que de mon point de vue, c'est une perte de valeur. C'est-à-dire que désormais, vous ne pouvez pas faire une confidence à quelqu'un vous ne pouvez pas, en tout cas, être rassuré. Mais c'est inquiétant. C'est inquiétant. Et je pense que vraiment, il faudrait que le législateur, en tout cas, puisse sanctionner rigoureusement. Parce que pour moi, euh, la personne qui, a, est l'auteur du, propos, il ne l'a pas rendu public. Donc, par conséquent, il n'est pas responsable. Donc, mm-hmm. celui qui a porté public, l'autre doit être comme, comme, comme complice. Lui, le, euh, donc, euh, franchement, on doit faire attention. On est en train de glisser mm-hmm. sur un terrain dangereux. Et donc, euh, par rapport à votre euh, souci, mhm. pour être euh, vraiment court, je me dis qu'effectivement, il y a, comme l'a dit Ousseini, l'année électorale, effectivement, elle est faite d'épreuves, il y a beaucoup d'enjeux mhm. qui font que souvent le, politique a tendance à réprimer certaines façons de faire. Mhm. Il y a la maladie, effectivement, au niveau de RSF, ils, ont, relevé en cause cette maladie, effectivement, a aggravé et ça augure une, une, décennie compliquée pour la liberté de la presse. Donc euh, on doit faire, attention, on doit justement, nous-mêmes euh, journalistes, euh, le, gouvernant, chacun doit assumer sa responsabilité pour qu'on mhm. puisse préserver cette liberté fondamentale. D'accord. Dernier point de ce forum, le Niger célèbre ce 1er mai la fête des travailleurs. Cette année, prévention du Covid-19 oblige pas de manifestation pour les centrales syndicales à Niamey. Pour la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, il s'agira juste d'éditer le journal annuel de l'organisation syndicale et de remettre aux côtés d'autres structures représentatives le cahier de doléances des travailleurs au gouvernement par voie administrative. Alors, Hussein Issa, que pensez-vous de cette euh, décision cette année, pas de manifestation ah, ben, Évidemment, euh, <laughs> les manifestations, ça ne concerne pas que le 1er mai, c'est quand même des défilés. C'est ça, comment dirais-je, l'activité la plus marquante à l'occasion du 1er mai, c'est le défilé des travailleurs. Mais comme les, manifestations, les regroupements sont interdits, bien évidemment, il fallait s'y attendre. Les travailleurs vont fêter dans le confinement. C'est des citoyens. Euh, le défilé, ça pas des milliers et des milliers de personnes. Non seulement il n'y aura pas le défilé, mais il n'y aura pas également la cérémonie officielle euh, de remise des cahiers de doléances au niveau du ministère. Il n'y aura pas également, comment dire, la cérémonie de décoration des travailleurs méritants. Il n'y aura pas également euh, les, comment dire, les cérémonies festives que les travailleurs, les, les centrales syndicales ils organisent, euh, euh, comment dirais-je, leurs militants, la, fête après le défilé. C'est des choses qui sont imposées par euh, l'épidémie de coronavirus qui est en train de sévir, pas seulement chez nous, mais également dans tous les pays du monde. Et j'imagine que dans tous les pays du monde, euh, il n'y aura pas ces différentes activités que je viens de d'énumérer. Les gens doivent prendre leur mal en patience et puis, bon, espérer que d'ici, comme avait dit, dans quelques temps, la maladie va disparaître. Mais qui est sûr, c'est qu'avec toutes ces mesures qui sont en train d'être édictées dans le cadre, ça pèse lourd sur l'économie du pays. Ça, pas seulement au Niger, quand on entend dans d'autres pays le coût économique de la maladie, on se dit que nous, nous sommes un pays très pauvre, dernier de la planète en termes d'indice de développement. Il faut se poser la question combien de temps on va mettre pour redresser la barre Parce que avec toutes ces activités économiques qui sont ralenties, il y en a qui sont carrément arrêtées, c'est un problème sérieux, c'est un coup sérieux pour l'économie nigérienne. Les travailleurs doivent prendre leur mal, vont prendre leur mal en patience, ils n'ont pas le choix. Voilà un peu le commentaire euh, on sait que la plupart des doléances de ces travailleurs qui sont euh, transmises dans ce cahier euh, sont liées à d'anciennes promesses du gouvernement aux centrales syndicales. Qu'est-ce qui explique selon vous le non-respect, si on peut le dire, des différentes doléances de ces travailleurs par les autorités Vous savez, nous sommes dans un pays où l'engagement, là, les engagements, souvent au niveau que, le gouvernement prend, il ne les respecte pas. Il ne les respecte pas tout simplement, il prend des engagements euh, qui va euh, régler tel problème, tel problème, tel doléance, tel doléance. Mais une fois que l'académie est revenue après, après une grève, pour le gouvernement, c'est déjà ça. On a vu à l'université pendant combien de temps, il y a eu combien de protocoles, combien de négociations, et ça n'a jamais pu permettre l'université, il a fallu attendre récemment seulement pour que la situation se décante. C'est simplement dû au fait que les autorités ne tiennent pas parole. Quand vous prenez l'engagement vis-à-vis d'un partenaire, faites l'effort et quand vous avez des difficultés, appelez le partenaire pour lui dire ah, le délai que j'ai pris pour pouvoir régler le problème, ce délai-là, je le trouve un peu court. Si vous me le permettez, je peux le rallonger encore, mais avec garantie que à l'issue, je veux vous régler la doléance. Mais ce n'est malheureusement pas le cas dans notre pays et dans beaucoup de pays. On prend, des engagements, on ne les respecte pas. Surtout quand on est en position gouvernementale. Et c'est ça qui fait les, frictions sociales, souvent auxquelles on assiste. Merci à vous, Hussein. Nous sommes presque à la fin de cette euh, émission. Restez toujours à l'écoute pour la fin. Alors, euh, les conditions de travail. Euh, euh, reviennent toujours dans les doléances de ces, comment dirais-je, travailleurs, avoir de meilleures conditions de travail. Euh, est-ce, que, est-ce, que, cela se résume seulement aux conditions de travail, euh, Madame Maimouna euh, Non, ça se résume pas uniquement aux conditions de travail, mais il faut ajouter aussi les conditions de vie. Mm-hmm. Parce que quand celui qui dit conditions de travail, il faut d'abord avoir une condition de vie meilleure mm-hmm. pour pouvoir travailler en toute tranquillité mm-hmm. et dans des conditions prévues donc par les textes et les lois du Niger. Et je pense que bon, quand on regarde aussi les cahiers de doléances, c'est à peu près la même chose. Les travaux euh, que ce soit CDTN, que ce soit la CNT, que ce soit euh, d'autres, l'USTN, quand on regarde, c'est la même chose. Mm-hmm. Partout, on réclame des conditions, des meilleures conditions de vie et de travail mhm. pour ces militants. Mhm. Mais bon, est-ce qu'aujourd'hui, le, le gouvernement a la capacité de prendre en mhm. fait toutes ces doléances-là en compte Je pense que des fois aussi, les centrales syndicales exagèrent parce qu'on ne peut pas aujourd'hui mettre sur la table plus de 20 doléances. 20 points euh, et, on veut que les 20 points soient euh, pris en compte par, par le gouvernement. Il faut essayer de revoir ces, points de doléance, il faut mettre l'essentiel, en mhm. fait, c'est mhm. ça. Regardez qu'est-ce que le travailleur a d'abord besoin, euh, primordialement, pour pouvoir faire face, par exemple, à cette situation de coronavirus. Mhm. Ça, c'est des choses comme ça qu'il faut, il faut réfléchir. Mhm. Et bon, ça ne change en rien. Hein. Qu'il y ait défilé ou pas défilé, <laughs> de toutes les manières, on sait comment les choses se passent avec mhm. les centrales syndicales. C'est venir, euh, par exemple, pour marcher du rond-point de tel point, telle place, pour donner euh, le contenu des doléances où j'ai dit chaque année c'est la même chose, il n'y a mhm. rien qui a amélioré. Et bon, c'est la même chose, c'est la même chose. Et ils vont se contenter de leur message. Mhm. Et ensuite, euh, le même message sera transmis au ministre donc euh, de, Ben Omar mhm. euh, pour prendre pour acte. Mhm. Et depuis que vous avez constaté, depuis qu'il y a eu ces élections professionnelles, euh, euh, l'ITN, <laughs> l'intersyndicale, n'a plus continué à exister. <laughs> c'est ça, parce qu'en mhm. que en fait, il fallait ça, il fallait une lutte commune. Et aujourd'hui, avec cette histoire de cinq qui sont retenus, qui, qui, doivent, transmettre. Oui, oui, ce sont les cinq qui doivent transmettre en fait leur cahier de doléances. Et je pense que bon. Alors, pour finir, Alhaja Suleiman, <laughs> pour finir, donc, euh, qu'est-ce qui doit donc être fait vraiment pour concrètement pour assurer ces meilleures conditions de vie et de travail à ces travailleurs euh, Ce qui doit être fait, c'est le respect des engagements des partenaires. je constate qu'il euh, faut aussi avoir une lecture assez globale de la situation. Je pense que le monde du travail on peut dire que la situation était avant, on constate ces dernières années, il n'y a pas de grève parlée, a mhm. pas de, parce que simplement, le minimum est garanti. gens mhm. ont le salaire souvent avant la fin du mois. Euh, je ne suis pas en train de dire que euh, cela c'est une obligation de payer les gens à, temps. Mhm. Donc euh, je me dis que il va falloir que les partenaires, notamment quand on parle des partenaires, c'est le plus souvent l'autorité donc qui arrive mhm. parce que comme on dit les besoins c'est énorme, les engagements sont nombreux. Mais les moyens sont limités. donc, je pense qu'il va falloir donc redoubler d'ardeur et la circonstance actuelle si on n'arrive même pas aujourd'hui, c'est le sixième vendredi qui va venir, les gens n'ont pas prié les mosquées. Je mhm. pense que tout le monde comprend, c'est aussi les, euh, donc c'est les circonstances qui imposent cela et il va falloir gérer. Aujourd'hui, vous voyez, ce n'est pas avec nous. Nous-mêmes, on aurait pu rester et faire ce, forum-là à, distance. Mhm. Euh, donc je pense qu'il faut faire avec euh, les circonstances on ne peut que souhaiter donc euh, bonne fête à tout le monde euh, et justement qu'on arrive vraiment à finir euh, une bonne fois avec cette maladie. Mhm. Merci à vous donc chers invités et nous sommes euh, au terme de cette euh, émission. Merci, chers invités, pour vos différentes euh, interventions. Nous étions avec El Haj Suleiman Mahamadou du journal en ligne Niger Inter. Merci d'être venu. Mme Diado, et les journalistes à la radio et télévision Tambara. Merci. Et au bout de la ligne, c'était Ousseini Issa, journaliste freelance. Merci aussi. Merci donc à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, le programme Jeunes, c'est samedi et dimanche dès 17h avec l'actu des jeunes en cinq langues suivies de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 minutes samedi, le forum en Hausa sur la contribution des religieux dans la lutte contre le Covid-19 et dimanche à la même heure, le forum en Zarma sur le processus d'élaboration de textes de loi sur la sécurité intérieure. C'était fils Adam Sirfo à la présentation, c'est Nisaka à la technique et Mustafa Yuba à la régie vidéo. Au revoir.